ñu ngi leen euh, di colonel Wardini euh, surtout insister un général ministre de l'intérieur euh, quelle lecture nga une lecture globale du premier gouvernement de Bassirou Diomaye une lecture positive. Hmm. li fi ministre de l'intérieur général muy ñi fa aw ñëpp si di homme de tenue yi. Hmm. vraiment ñi fa aw ñëpp dañu fa liggéey bu bu bu rafet liggéey bu bu bu baax boo xam kenn amul dara lu ñu wax ils ont géré géré nañ transition bi gérer élection yi gérer intérieur ba sans problème parce que ñoom c'est pas du ñu ay homme politique c'est des c'est des militaires ils sont là pour travailler pour les institutions pour la République et pour le peuple. Donc, hmm. naa daal am naa si yaakaar lool boo le dernier ministre de l'intérieur homme de tenue nous woon moom tam Cissé mm-hmm. en général nous daal vraiment C'est seen nekkaay bi nekk foofu daal ça nous c'est rassurant c'est rassurant pour nous c'est comme naa loolu tax gouvernement bu bi président bi ak ministre de premier bi <coughs> dellu ci ñoom pour dire lañ njëkke bi pour euh, <coughs> ñu gérer ministère bi parce que ministère bu mag a mag la ministère boo xam bu am importance Sénégal yi ministre de l'intérieur sécurité encore vraiment ci territoire bi yëpp bon militaire nekk fa Hmm. avantage donc encore les militaires commandement territorial bi unité des forces de défense de sécurité yi xam sont ñu ñu Sénégal encore pointé à l'horizon la ñu menace menace militaires ak yi pour avertissement pour informer pour rendre compte et prendre les dispositions yoo xam dana tax ne day mën a contrer terrorisme lu baax. Mhm. mais bu dul loolu rek. daañu mën a tam sàmm sàmm la protection nit yi mën a dem di ñëw sàmm kaaraange nit yi man daal sama xel dal na ci lool surtout comme que Jean Baptiste Tine fa teg général Bernard Baptiste ba nga xam ne moom nekkoon na déjà commandant de la gendarmerie. liggéey ba mhm. liggéey bu rafet et le général Biram Diop également ministre des forces armées est-ce que c'est une première colonel Wardini un ancien militaire ministre des forces armées est-ce que c'est une première. je crois hein, c'est la première fois que j'entends ça en tout cas en général c'est toujours des civils qui coiffent, mais cette fois-ci c'est militaire lañ ko jox C'est qui ñu ko jox Diop. nous hmm. xam nañ ñëpp gis nañ li fi jot a bi mu des chef des major général des armées liggéey bu rafet liggéeyal na soldat yi liggéeyal na quartier gi liggéey def na fi liggéey boo xam macha allah te foog naa looloo taxoon sax ñu tànn ko yóbbu ko Nations Unies mu nekkat encore chefu peacekeepers yi mooy les les les les troupes yi déployé ci mission euh, ONU yi foog naa mooy seen chef actuellement man de suma xarit la xam nañ ko suñu morom la suñu rakk la suñu suñ suñ collaborateur la ñun daal rafet lañ nañ lool nomination bi comme ministre des forces armées bon je crois que daal euh, affaire dana dana baax. pour naa hmm. affaire daal yaakaar naa ne dana dana aw loxo dana dem parce que Birame Diop liggéey bi fi liggéey en tant que candidat. Hmm. kenn fàttewu ko liggéey na fi liggéey boo xam ne généraux yu bëri chef d'état-major yu bëri. Eh, liggéey nañu fi doon liggéey mais moom li mu fi liggéey dafa feeñ dafa feeñ ci quartier gi feeñ ci homme de troupe bi feeñ ci moral lu colonel Wardinian en français, deux généraux dans le gouvernement euh, de Bassirou Diomaye et Faye, euh, le général Jean-Baptiste le ministre de l'Intérieur. Quelle lecture d'abord Une bonne lecture, une lecture très positive. Si on considère, si on considère ce qui s'est passé avec les différents généraux qui ont été à la tête de ces ministères, hmm. en parlant de général Lamine Sissé, je crois que Général Nian est passé là-bas également et même tout récemment le, sortant, euh, Tissé, qui est un homme de tenue également. Vraiment, je crois qu'ils ont fait un excellent boulot. Les hommes de tenue qui ont eu à commander ce ministère-là, ils ont fait un excellent boulot pour gérer la transition, gérer les élections et gérer la sécurité à l'intérieur du pays. Et si, parlant de sécurité également, sachant que nous avons les forces de défense et de sécurité un peu partout disséminées dans le territoire national, mhm. et ayant un général de l'armée donc qui connaît ce, déploiement territorial des forces de défense a un avantage parce qu'il peut parler à ces, à ces troupes-là. Il sait comment, il sait comment les troupes utiliser les troupes, il sait comment les, les, troupes sont déployées, comment elles agissent sur le terrain. Mmh. Et ça lui permettra également d'avoir des, informations euh, avant-gardistes, parlant, si on parle de cette menace terroriste qui pointe à l'horizon. Euh, donc ces troupes déployées un peu à partir du être des, éléments avant-gardistes pour rendre compte, pour prendre les dispositions qu'il faut et un militaire travaillant avec des forces de défense déployées sur le terrain, je crois qu'on se comprend mieux. Le langage passera très bien. Et en général, oui. était déjà commandant de la gendarmerie, après un pour au niveau de la gendarmerie, avec ses éléments également déployés, je crois qu'il n'aura aucun problème pour diriger ce problème-là. Mmh. un, ancien militaire euh, qui est aujourd'hui, euh, qui dirige les forces armées, le général Biram Diop, une première, vous, vous disiez ça en Wolof, c'est une première. Ah, c'est une première pour moi. Hein. Vraiment, on a pu, moi, personnellement, j'ai toujours souhaité qu'on ait un militaire à tête de ce ministère-là pour hmm. qu'on se comprenne très bien. Parce que je crois que euh, des fois, on ne s'entendait pas très bien avec le ministre civil qui était ministre politique, qui a ses objectifs politiques, alors que nous, au niveau des forces armées, si on avait un un ministre militaire hmm. euh, avec qui on peut parler, euh, on se comprend bien, le langage passe très bien, je crois que ça, a été bénéfique. Surtout que Biram Diop qu'on vient de prendre est un officier qui était chef d'état-major général des armées récemment, qui a fait un excellent boulot aux têtes des armées, de l'armée nationale, un très bon boulot qui certainement a permis de le désigner actuellement comme chef des, des, militaires au, niveau des Nations Unies, mmh. les pistes là. Euh, donc, euh, il a fait un très bon boulot on comprend très bien sa nomination, on, salue sa nomination mhm. et on est sûr et certain que vu ce qu'il a fait dans l'armée pour les hommes, pour les troupes, pour les infrastructures, les moyens qu'il a déployés, et, il a fait un excellent boulot qu'on n'est pas prêt d'oublier. Mhm. En tout cas, nous saluons sa nomination et nous lui souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, colonel Wardini.